you Nous sommes euh, lundi 20 mai 2024. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Chères auditrices et auditeurs, euh, il vient de sonner 11h et c'est l'heure de votre et de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Munkela Housseni alias Seno et à mes côtés Rabi Meikano. Rabi, bonjour, ça va ce matin Je vais bien Seno et toi ça va Alhamdulillah, ça va. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Comme d'habitude Rabi, nous débutons cette émission avec euh, le flash d'information et comme invité, nous recevons ce matin Don Julius, artiste rappeur talentueux qui s'est fait parler de lui au Niger et à l'international, mais qui depuis un moment se fait rare sur la scène du rap nigérian. Dans ce même numéro, nous aurons également la rubrique Éco des régions dans laquelle nous parlerons de la confection des chaussures Balka à Agadez. Il y aura aussi la rubrique Echo, la rubrique Hebdo consacrée à la justice, le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangou et notre page sport. L'édition est assurée par Fanta Chamsou et à la technique ce matin, nous avons Seni Isaka. On débute euh, cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par Habibou Garba. Bonjour Habibou. Bonjour Seno. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin Seno, euh, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdramantiani, Tiani, a reçu à son cabinet les acteurs des organisations de la société civile le samedi 18 mai. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a rassuré la société civile sur les solutions qui sont envisagées pour répondre aux préoccupations des populations dans les secteurs de la sécurité, de l'éducation et de l'accès à l'énergie. Seino, également le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mamadou Seydou, a inauguré vendredi la nouvelle École nationale du pétrole et de gaz ENPG de l'Université André Salifou des Anders. Selon l'agence nigérienne de presse ANP, les nouvelles autorités nigériennes entendent répondre aux besoins de formation de la filière pétrole au Niger. La création de cette école intervient à un moment où le Niger a augmenté sa production du pétrole brut. 20, 000 barils par jour à 110 000 barils, soit une augmentation de 90 000 barils. Et pour finir, à le ministère de la Défense nationale du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique ont trouvé un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui ont déjà commencé. Il est ainsi convenu que ce désengagement se, terminera au plus tard le 15 septembre 2024. Et selon l'ANP, ces discussions entre les militaires ont été conduites en toute transparence avec un parfait respect mutuel entre les deux parties, a conclu le communiqué conjoint du CNSP rendu public hier à dimanche 19 mai 2024. Merci, merci Abibou euh, pour toutes ces informations. À bientôt. Voilà, comme annoncé en début d'émission, nous recevons comme invité Julius, Il est artiste rappeur. Bonjour Julius. Bonjour, bonjour. Alors, merci pour votre présence dans cette émission. Nous allons braquer le projecteur sur votre carrière. Hmm. Mais avant, c'est Mais avant, bien évidemment, Rabi, euh, avant de donner la parole à notre invité du jour, hmm. écoutons d'abord ensemble l'un de ses titres. Il s'agit du titre Nyame King. On écoute. Je suis capitaine à bord, tu veux me critiquer négro Vas-y qui faut rap d'abord, voici mon kick mais qu'est-ce que tu veux MC je te mets d'accord, négro fais-moi du beatbox et je te rappe jusqu'à la mort Tu te crois bon MC, ok viens au corps à corps C'est de niamey que ça kick, tu peux demander à Niveau <laughs> au appelle mon rap de son s'appelle ton rap Fais-le à tous, un couple de malades flow de dingue, un style de malade pour un rap de dingue. Ghetto Rule Guy, c'est la l'album de l'album, que tu veuilles ou pas, un coup sec, Agadeino, les MC sur la pète, et t'en fais, c'est des fake man. Dans le king, dans le king, dans le king, dans le king, qui, le king, dans le king, qui le King, Kenya don don don ah. Ils font le king, king, ils jouent bling, bling. Dis-leur que le vrai MC est back, back. Blanc de ma race, noir dans la tête, tic-tac. Et moi rap avec ce son, je fais des drames. Je parle le rap que l'on blague, tout peut que aimer, vas-y, dame. Comme dans un jeu carte de dames, je distribue les flots et les MC sur la rame. Rien, rien que des flammes, dans leur face rien que des larmes. Que ce nigérique, vas-y demander au ricains, je suis calé à leur niveau. High pour le niveau. pour poler, je suis dressé comme un poney. Non dans vos vagues. Alors, c'était le titre Yamaking de Dondulus qui est calé au niveau des rics, hein Alors, euh, on te sent submergé par l'émotion. En fait, Dondulus il vient d'être papa, il y a quelques heures de cela. Ah, <laughs> Alors, félicitations Dondulus. Merci beaucoup. Merci quand même d'être avec nous. Euh, voilà. Euh, voilà. Alors. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet de notre échange d'aujourd'hui, <laughs> est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre, Nyame King euh, Nyame King, euh, c'est un son euh, qui m'a été inspiré un bonsoir soir d'un clash. Voilà, parce que fait, j'étais à un concours de, de face à face et j'ai vraiment pas du tout aimé euh, la plupart de la nouvelle génération qui se la, enfin, la pète, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, c'est que euh, venir raconter des, certaines sottises au micro, euh, bon, pour nous autres, c'est pas. C'est pas. C'est pas du Voilà, c'est pas accepté, en fait. C'est pas accepté. Donc. et à un moment donné, il y avait eu un artiste qui a fait son entrée ici dans le game, que je, dont je ne vais pas appeler le nom s'il vous plaît. <laughs> Voilà, et qui avait fait un son qui m'a le plus euh, énervé. Parce que lui, il était venu, il était venu nouveau et il m'a rappelé personnellement. Il m'a demandé euh, que vraiment il a envie de me rencontrer. J'ai dit ok. Et je lui ai fait le plan du studio. Voilà, donc il était venu. Et il me dit, bon, tu sais, moi je viens d'ailleurs, voilà, bon, je t'ai écouté, on m'a dit que c'est toi le patron ici, et puis voilà, donc euh, moi je dis que non, c'est faux, quoi. Ah oui, euh, à domicile, quoi. je te jure, il me dit non, mais moi, chez moi, c'est faux, quoi. Donc, euh, sinon, demain, je sors un son, je dis en bon. Je dis, ok, tu sors un son demain, il dit oui. Et le son, réellement, je t'ai envoyé des pics dedans. Je dis, oh, tu m'as envoyé des pics dans le son, il dit oui. Tu oh. J'ai t'as osé, il dit oui, Je dis, ok. On attend la sortie du son. Et le son est sorti vraiment. Et alors, la sortie du son, je n'étais même pas au courant, sincèrement. Je n'ai pas, cherché à écouter le son. Mais j'avais un manager en ce moment qui m'a appelé, il m'a dit Joe, tu as écouté le son de Intel Apparemment, il parle de toi. Je dit non, non. fait, eh, sachant bien que je te déjà au courant, mais j'ai hmm. fait, j'ai fait non, non, c'est pas. Tu as fait semblant. Il dit non, non, Joe, j'ai dit qu'il parle de toi, man. J'ai dit ok, envoie-moi le son. Donc lui, a le son, il m'envoie le son. J'ai écouté, j'ai vraiment écouté, j'ai dit ok. Là, j'ai appelé le petit frère eh, qu'on eh, comment l'appelons là euh, Don Alex. Don Alex. Okay. à Don Alex, euh, j'ai besoin d'un instruit. Okay. Il dit en bon. On va remettre euh, les points sur les voilà, i. J'ai besoin d'un <laughs> instruit. Et là, c'est là où on est parti du. On fait cet instruit. J'ai dit, bon, je veux un instruit qui fait du rythme. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Il me dit, OK, il est rentré en studio, il m'a sorti un truc. J'ai dit, voilà. Il me dit, Joe, tu veux poser quoi J'ai dit, non, attends, tu vas voir. Et c'est là est parti en King, ah, au fait. Juste pour faire comprendre que, au fait, le rap game. C'était qui le lion, quoi Le rap game, c'est moi le king, en fait. on ne te détrône pas. Ah non, non, non, non. non. Détrôner, c'est pas facile. <laughs> Alors, dans, alors, pour commencer, est-ce que tu vous pouvez nous parler de votre début dans, dans le rap. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer euh, dans ce game Bon, tout début, j'ai commencé avec la danse. Mhm. je commençais avec la danse. Euh, je pense que c'est est, témoin. Exact. Voilà, j'ai commencé avec la danse. Euh. Donc, arrivé à un moment, euh, disons que j'avais un entourage carrément artistique, les aînés, dont je vais les non Parce que <laughs> Donc, en fait, j'étais le jeune parmi eux qui les posait le thé, et tout ça, la fada, voilà quoi. Va me payer de la cigarette, va me payer. J'étais là, en fait. Et les soirs, ils font, euh, ils font leur freestyle, au fait, avec leur radio et autres, là, avec les, des instruments américains et tout. Donc, bon, de là, euh, il y avait un parmi eux qui m'a vraiment inspiré. Donc, au fait, il connaît même Seno bien. Euh, je, je vais te parce que je pouvais te le nom. tu, tu peut-être trop de noms là. Non, oh mais il le faut. Il le faut. Je suis là pour moi, pas pour <laughs> donc, pas de publicité. <laughs> voilà, donc donc c'était parti de là. un soir, j'avais écrit un couplet. Donc, je suis venu sur la Ils ont commencé les freestyles et je disais au grand frère, j'ai envie de poser un truc. Il me dit, hé, ici, là, c'est pas ta catégorie, mon petit. <laughs> j'ai dit, non, mais laissez-moi faire un truc. Il me dit, non, pas aujourd'hui. Donc, le lendemain, il m'a appelé, il me dit, fais-moi voir ton test. Donc, je lui ai donné, au fait, fait j'ai rappé, il a écouté, il me dit, bon, c'est pas encore ça, mais bon, ça va. Donc, le soir. Ça va, il y a un truc, on peut tirer quelque chose. Le soir, on va te faire rapper. J'ai dit, ok. Donc le soir, je suis à la FADA et puis voilà. Ils m'ont donné ma chance, et j'ai rappé. Il y avait un parmi eux qui me disait Toi, tu vas être un putain de rappeur, toi. <laughs> Carrément, il me... <laughs> il me dit Toi, tu vas être un putain de rappeur. je dis oh. Ok. Parce que dans la fada, c'est lui le, en fait, c'est lui le MC le plus craint en fait. Voilà, si lui me dit ça, c'est lui qui a l'oreille musicale. voilà. Le... En fait, c'est le gars à ne pas, à ne pas tester quoi, en fait, dans la fada. Et celui me dit non mais Joe, tu seras un putain de rappeur demain. Je dis ah c'est bon. <laughs> si c'est lui qui dit ça, donc c'est. Il t'a donné sa bénédiction alors voilà, c'est bon. Voilà, t'as tout compris. <laughs> Ok, donc Julius, on va poursuivre avec les questions. Euh, quels, selon vous, les, les moments les plus marquants de votre carrière jusqu'à présent euh, ma première scène. La première fois, on m'a donné l'occasion de, prendre le mic, de rapper. En fait, je dirais. C'était où C'était au CCFN. Ah, ok. Et là, j'étais avec mon groupe, mon, premier groupe de rap, le Bloc NCC, euh, à qui j'envoie en fait mes big up Vraiment, parce que c'est vrai que j'ai fait mes débuts réellement dans, la, fait, dans cette musique-là. Parce que en solo, euh, le grand frère Lio m'a toujours dit non, t'es pas prêt bosse encore, t'es pas prêt, bosse encore. Et jusqu'à j'ai pu rencontrer les gars du NCC, Lasti, Swabib, Black G et, et, et Donibli. Donc ensemble, on a formé le bloc NCC et là, j'ai commencé à faire les scènes. Et c'était, c'était des moments magiques parce qu'on rappelle juste pour rappeler. Pas pour de l'argent, en fait. En fait, le euh, plaisir, c'était d'aller faire la scène, en fait. Voilà. D'aller juste rapper, se faire voir, et puis voilà, revenir à la maison et faire le gros dos, quoi. <laughs> voilà. Alors, et Julius, avez-vous euh, collaboré avec des artistes nigériens ou internationaux euh, Alors, comment ça s'est passé Bon, artistes internationaux, non, pas encore. Parce que j'ai eu à faire un son avec un artiste du Bénin. Pardon mais qui n'est jamais sorti parce qu'en fait, il euh, y avait euh, certains règlements, certaines règlement, c'était conditions à remplir et, je n'étais pas, dans les normes. Mais le son a été fait, mais le son n'a jamais été euh, publié et tout ça. Mais sinon, ici, à la maison, je pense que j'ai eu à faire seulement des sons avec les gars de mon studio, mhm. les gars avec qui je travaillais en studio en ce moment. Voilà, donc bon. À part les gars de mon studio, je pense que non. Parce que souvent, euh, un futuring, c'est avoir un artiste euh, à ta taille. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, il y a un viking. <laughs> voilà. <laughs> Ah, à ta <laughs> taille, hein. non, mais voilà. pour ouais. moi, un hein, futuring, Avec les grosses pointures, quoi. Voilà, ouais, c'est featuring, c'est avoir à sa taille. Donc, euh, ouais, mais on peut euh, tirer aussi c'est que. Voilà, quoi. ouais, bon. Il y a ah. eu des propositions, mais. Tu n'as pas Vous n'avez pas accepté Non, si. En fait, on a commencé, mais en fait, le résultat n'était pas ça. Donc, bon on n'a pas pu pour nous concrétiser. D'accord. Alors, euh, comment percevez-vous l'évolution de la scène rap au Niger depuis euh, vos débuts à aujourd'hui Parce que vous avez fait en tout cas un long parcours. Ouais. Bon, euh, personnellement, je dirais c'est du c'est du va-et-vient quoi. C'est pas c'est pas un truc stable en fait. C'est pas un truc stable parce que en fait, que la musique même ici au Niger, je pense que c'est si je peux me permettre, hein, ça nous reste, euh, ça nous reste, ça nous reste des étapes à franchir. Parce que ça nous reste beaucoup de barrières à franchir. Parce que jusqu'à présent, je pense que la musique nigérienne, elle est, elle est étouffée. Elle est étouffée parce que euh, aujourd'hui, tu peux pas te lever aujourd'hui et faire ce qui te plaît en tant qu'artiste sans penser à ce que les gens vont, au fait, vont dire de toi, au fait. Euh, d'où je suis parti à faire un clip, au fait, qui a fait parler de moi. C'est un, deux, trois marabouts du pays. Ouh Oula pas mal de commentaires. Non, beaucoup, parce que beaucoup sont dit, euh, voilà, le petit, il a commencé à fumer autre chose, parce que vraiment, ça va pas chez lui. Comment il peut se permettre de faire déjà le truc dans un pays, dans un pays islamique, Mais on est artiste. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on s'exprime. Parce qu'aujourd'hui, on veut exporter une musique. Et la musique que vraiment on veut exporter, au fait, de l'autre côté, au fait, ce qu'on fait actuellement, ils ont dépassé ça. Mm. Et pour les rivaliser, il faut être à leur niveau. Et pour être à leur niveau, il faut faire ce qui les plaît, ce qu'ils connaissent déjà. ce pas ce qui ont déjà fait, au fait, fait des années antérieures, au fait. il y a 10 ans de cela. Alors parlons un peu, euh, ou rapidement je dirais, parce qu'on a un peu le temps qui est contre nous pour cette mhm. première partie, de votre pause. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre du recul dans le game euh, Beaucoup, mais je vais juste me limiter à ah, je me suis marié, j'ai pris le temps de profiter de ma famille, et puis voilà. Ah ouais. Aujourd'hui, papa de, de deux gosses, euh, Amen, ça va. Voilà. Maintenant, c'est bon, je reviens. <laughs> on revient. on revient. D'accord. Alors, euh, Don Julius, dans cette première partie de nos échanges, nous, avons, retenu que euh, vous avez feu votre premier pas dans le domaine euh, du rap. Tout a commencé avec la danse. C'est parti de la danse. Et par la suite aussi, ce qui a marqué votre euh, parcours durant euh, toutes ces années, c'est d'abord votre première scène qui s'est tenue au niveau de CCFN avec, votre groupe Bloc NCC. Et aussi, vous avez parlé également de l'évolution de, du, rap nigérian. Mhm. Vous avez bien évidemment dit que la musique euh, n'est pas stable au Niger. Mhm. Elle est étouffée parce qu'il y a beaucoup de choses que euh, le public ou le consommateur en tant que tel ignore et que souvent ça, ça, ça, provoque pas mal euh, euh, de, de, de, problèmes lorsque vous essayez d'aller au-delà de ce que le public nigérien connaît. connaît voilà, aller au niveau international pour concurrencer d'autres productions. Mhm. On va en revenir avant de poursuivre euh, nos échanges, dont Julius. Mhm. Oui, Rabi. Nous allons marquer une autre pause, cette fois-ci pour écouter un autre de vos morceaux et euh, très connu, très écouté. Il s'agit de Dreaming. C'est parti. Moi je veux vivre comme le disent Avant la maille, avant la belle vie, belle vie. Pour rap, fais des guichets fermés, fermés. Avant ma Benz, avant ma villa, villa. This is the motherfucking dreaming, dreaming. This is my motherfucking dreaming. Dreaming. This is my motherfucking dreaming. Dreaming. Yeah. This is my motherfucking dreaming. Dreaming. On passe sur le remportant en crise. Trop de groupes dans ce game pouvant pas se briser. La vitrine du succès en face se brise. Mais les frères du mic ensemble font le bise. Malgré qu'ici rien ne va, rien ne dure plus. Nos aînés dans le game ne répondent plus. La musique pour eux n'a plus de rendu. Animateurs, promoteurs sont corrompus. Très très joli ici, y a pas de sortie. Peu à peu, ils lâchent le mic pour le Josie. D'autres nous sommes face au manque d'inspiration Très très jeune, l'underground a du fait surface. face. le mec est représenté tous les ghettos. Point serré, point levé pour mes négros. La suite créa la chute de la old school. Yeah, la new school a pris le déçu. Moi je vais vivre comme un le Avoir Avant la maille, avoir la belle vie. Pour mon rap, fais des guichets fermés. Avoir ma Benz, avoir ma villa. This is my motherfucking dreamy. This is the motherfucking dreaming. dreaming. This is the motherfucking dreaming. dreaming. this is the motherfucking dreaming. dreaming. Ok, la suite a fait de moi un colosse. C'est pas de ma faute si j'ai les flots dans le sang aussi. De jour en jour, dans ce game, j'ai eu un poussé. La rage m'a hissé, maintenant je viens me fixer. Oui, je dois faire ces frérot, ça me fait gercer. Oui, tu dois pousser pour voir ton du loss presté. Respecte, vas-y, faut qu'on retouche, je te respecte. Victor ah. torules, je l'ai créé pour tout ah. Oui, toi qui m'aimes, négo, toi qui te sens ghetto. Avant ma là, dans un quartier les plus chic du coin. À l'intérieur, mon jacuzzi et mes bitches. Une table ronde avec mes potes où on gère le biz. Avant ma benz à l'intérieur, que des rulgis. Ah, ah. On gère la rôle et les gens qui passent le salam. Dans ma zone, y'a que des caïds, trop pis Le biz est facile, mais le cash est difficile. Moi je vais vivre comme un le disent Avoir la maille, avoir la belle vie Pour mon rap, fais des guichets fermés avant ma Benz, avant ma villa. This is my motherfucking dreaming. Eh? This is my motherfucking dreaming. Eh? This is my motherfucking dreaming. Eh? This is my motherfucking dreaming. Au lieu de me jalouser, négro vas-y porte ma main. Au lieu de me pirater, negro vas-y paye mon CD. Au lieu de me saquer, négro vas-y quitte mon rap. Au lieu de me zapper, negro va le temps de creuser ma zip. C'est de la bonne, ouais ouais, toi tu sais négro. William, mon fait approuvé. Passe-moi ton point, le rassonné, on doit percer. Ghetto Rule Jeez. Corps, chop, moi je vais vivre comme Rule Jeez. Ça une liste, ça. C'est, c'est chaud. Fais les guichets fermés. Avant ma baisse avant ma villa. This is my motherfucking dreaming. C'est très bien, c'est. This is my motherfucking dreaming. C'est un chat qui m'a beaucoup inspiré, vraiment. <laughs> Je vous promets. Dreaming. Euh, ce sont là vraiment... <laughs> c'est du lourd, c'est du lourd. Euh, Alors, dans le sujet. une question qui, qui me taraude l'esprit. Alors, où en êtes-vous avec ce dreaming Est-ce que qu'est-ce que vous avez pu réaliser là On a entendu Mercedes, Benz, machin. Est-ce que est-ce que le rap vous a permis euh, de, réaliser un de vous réaliser un minimum ou un maximum Bon, jusqu'à présent, le rap me l'a pas encore permis. Ah. personnellement, non. Euh, le rap m'a juste permis de, boucher certains trous de ma vie, mais jusqu'à présent, pas encore réalisé ces rêves-là, en fait. Mm. Et c'est toujours un projet, on, espère qu'un jour, que cette musique-là permette ça, en fait. D'accord. Alors, euh, Don Julius, mm-hmm. euh, tout à l'heure, vous nous avez parlé de votre recul dans le rap. Alors, que faites-vous pendant cette pause Êtes-vous impliqué dans d'autres projets artistiques ou personnels euh, Pendant ma pause, j'ai toujours continué à écrire. J'ai écrit, j'ai écrit, je continue à écrire toujours. Hmm. Euh, comme je l'ai dit, euh, pendant la pause, j'ai vraiment profité de ma famille. Vraiment parce que la pause même, c'était parti pour ça. Je voulais me marier. Et pour marier, il faut que je prenne du recul parce que c'est un monde, en fait, c'est un monde qui prend beaucoup de temps. Hmm. La musique, sans, vraiment sans mentir, c'est un monde qui prend le temps quand tu te lances dedans, c'est que tu n'as plus le temps pour quelque chose d'autre. Donc, euh, je voulais me marier, Dieu merci, je me suis marié. J'ai dit non, mais je suis marié, donc il me faut d'abord un bébé avant de tout reprendre. Donc, euh, on a essayé avec <laughs> madame, on a eu un bébé, et voilà. Mais avec tout ça, je me suis dit non, mais attends. Ah bah, attends le deuxième. non, je dois profiter encore plus parce que là, là, c'est encore trop doux, en fait. Donc, euh, le deuxième est arrivé, mais là, j'ai dit, bon, c'est bon. <laughs> Maintenant, on va se relancer. Alors, Don Julius, le mariage est fait. Vous avez euh, actuellement deux enfants. Envisagez-vous de revenir euh, sur la scène un jour Si oui, avez-vous des projets ou des idées pour euh, votre retour Ah ouais, parce que revenir, ça, c'est ça, c'est ça, c'est inévitable. Parce que la musique, la musique et moi, je pense que c'est une histoire d'amour. Donc, c'est la concurrente de madame, donc euh, ça va quoi. <laughs> Eh, madame. <laughs> J'espère que madame est à l'écoute. <laughs> voilà, euh, j'espère qu'elle n'est pas à l'écoute. j'espère aussi qu'elle n'est pas à l'écoute. non, je préfère qu'elle soit à l'écoute. Non, non, non, non, faut pas se faire ça, bro. Faut pas le faire. Voilà, donc sinon. Sinon, l'album est, presque fini, l'album audio plutôt. Euh, on est actuellement à la phase des clips. Voilà. Ok, euh, Julius, mhm. comment percevez-vous euh, les changements dans l'industrie musicale depuis que vous avez pris du recul Alors, ces changements vont pas impacter votre comeback euh, Je pense que non, parce que je suis plutôt authentique, conservateur, parce que je suis pas du genre à suivre en fait tout mouvement, tout mouvement qui s'amène, parce que je suis un rappeur à la base. Mm. je sais aussi chanter la preuve dans mon album, je pense qu'il y a les chansons chants. En fait, donc euh, je pense que euh, rentrer dans autre chose, euh, c'est pas trop moi. Voilà, donc je pense que ça, ça, ça va rien avoir sur, sur mon retour. Ça va rien changer sur mon retour. Ben, Alors, quel message aimeriez-vous adresser à vos fans qui attendent sûrement hmm. avec impatience votre retour eh ben, Moi, je dirais, vous, avez, vous avez beaucoup attendu. bientôt, vous serez servi. Gilou Très, très, très lourd. Alors, merci infiniment, Don d'avoir non seulement répondu à notre invitation, mais également d'avoir répondu à nos questions. Nous, euh, voilà, nous vous souhaitons un bon vent et un bon comeback. On fait une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors, c'est le moment de voir notre rubrique hebdo et comme tous les lundis, nous allons parler de justice, n'est-ce pas, c'est Exactement, Rabi. Et dans la rubrique justice de ce lundi, nous allons parler du rapprochement entre la population et les acteurs de services judiciaires à DIFA. Oui, sinon, il s'agit de la mise en place à de plusieurs comités d'utilisateurs spécialistes de droit porteur de l'initiative dénommée Initiative communautaire ayant objectif le rapprochement des communautés à la justice. Pour en parler, notre reporter Abdoulaye Maïna de Gingimi s'est entretenu avec le juriste Aboubacar Adam. On les écoute. Quelle est l'initiative communautaire que vous faites pour rapprocher les communautés et la justice L'initiative que nous faisons ici, elles sont un peu diverses parce que nous agissons sur euh, trois à quatre volets. La toute première volet, donc, c'est la sensibilisation. Au niveau de la sensibilisation, nous passons à la radio pour pouvoir sensibiliser la communauté à avoir un accès facile au niveau de la justice. Et secondo, nous faisons ce qu'on appelle euh, TEP, tribune d'expression populaire, où nous invitons généralement euh, le magistrat, le juge d'instruction, le juge des mineurs de Difa et celui de Ngingimi. Euh, nous choisissons un quartier. Dans ces quartiers-là, donc, nous faisons un rassemblement euh, où la communauté donc autour de ces magistrats-là pose leurs questionnaires pour pouvoir savoir quels sont les services donc qui sont disponibles au niveau de la justice et pour maintenant démystifier parce que les gens ont tendance à dire que non au niveau de la justice les gens ont peur d'aller voir un magistrat ou bien un juge. Donc nous euh, faisons en sorte qu'on casse ces murs-là pour montrer que euh, les juges sont des êtres humains comme nous. C'est une fonction qu'ils exercent. Donc ils sont appelés à travailler pour euh, leur pays. Et c'est comme la santé ou bien l'éducation, tout le monde peut avoir accès donc à la justice. Et après aussi, nous avons des parajuristes qui sont là pour faciliter l'accessibilité à la communauté au niveau de la justice. Parce que la plupart de la communauté, pourquoi elles ne veulent pas aller à la justice Parce qu'ils ont peur. Quand il y a un problème, par exemple, concernant le mineur, mais tu ne sais pas qui est le juge chargé de ces questions-là. La journée aussi, porte ouverte que nous faisons, mais malheureusement, à Ngimi, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et ça aussi, c'est dû à l'insécurité. Mais sinon, à nous faisons aussi des journées portes ouvertes où nous donnons l'accessibilité à la communauté de venir voir ce qui se passe à la justice et on ouvre les portes on leur montre tout celui qui vient, on l'accueille, on l'amène, on lui dit que voilà, ça c'est le juge d'instruction, ça c'est le juge de mineurs, ça c'est le greffier, voilà son rôle, voilà ce qu'il fait. Euh, est-ce que les gens ont compris l'importance de ce que vous faites Si oui, expliquez-nous. Les gens ont parfaitement compris. Parce qu'aujourd'hui, à travers les parages para-juristes, les mobilisateurs communautaires qu'on a, les gens viennent vraiment témoigner de leur satisfaction que eh, ils sont aujourd'hui écoutés à la justice quand ils vont et voilà ils sont euh, pris en charge plus facilement parce que tu sais le comportement de la personne fait en sorte qu'on l'écoute au niveau de la justice aussi les juges aussi quand tu vas directement et que tu viens sans pour autant euh, passer par euh, mille chemins lui expliquer clairement le problème que tu as au niveau de la justice et il te reçoit directement au lieu de venir tâtonner à gauche et à droite pour lui tordre vraiment euh, le travail ou lui rendre le travail difficile si on peut l'aider, Donc, ouais donc le fait de faire ça là aussi aide la personne à, à améliorer vraiment euh, la qualité de son service aussi. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ceux-là qui sont encore réticents L'appel que nous avons à lancer vraiment à la communauté, c'est d'accepter d'aller à la justice. La justice est un service accessible à tout le monde. Quand tu as un problème, tu peux aller demander conseil auprès d'un juge. Quand il a le temps libre, le juge est là pour te donner des sages conseils avec le problème que tu as. Donc tu vois, euh, c'est vraiment ce qu'on a à dire. Et il y avait une formation on a organisée où les gens disent que non, ils n'ont même pas peur des juges, mais ils ont plus peur quand ils vont devoir euh, les hommes en tenue. Et les gens en tenue sont là pour assurer la sécurité donc, du service. Donc tu vois, on appelle ces communautés-là à aller vers la justice. Quand tu y vas, généralement, les hommes en tenue te demandent qu'est-ce que tu es venu faire. Donc, si tu as un rendez-vous, tu dis, j'ai un rendez-vous avec tel juge, et ils vont eux-mêmes t'orienter pour te dire que voilà son bureau, va le consulter. Donc, vraiment, c'est d'accepter d'aller à la justice pour régler son problème ou bien pour aller demander des conseils au niveau de ces juges-là. Alors, c'était là la rubrique hebdomadaire justice. Et pour notre troisième balade musicale, nous vous proposons Mourad Nzitia, une belle collaboration entre la chanteuse nigérienne Rekia Moussapoussi et l'artiste nigérien Hami Soubrek. sa yarda ni da ke muka yi dace kai nake so na sani kaga dafin so na gani ban gani tayyaba ka ke tsaya mini tun da kin fama mini zuciya ciyo ke mini kin rufa saya mini kin gaje koye mini sarrafan da na ba kitin da ba min wauta kaga komai za ki masoyiya kuwance zinariya kin zaman na idaniya ta ko Rakia Moussapoussi du Dandeli, cette talentueuse chanteuse et actrice Kanyewood a hérité du talent pour le chant et la danse de son défunt père Moussa Poussi, une grande figure de la musique nigérienne. Née et grandie au Niger, elle intégra une troupe de dandeli locale avant de poursuivre son rêve au Nigeria, fief de ce style musical en 2011. Oui, Rabi, euh, cette passionnée de musique se fait remarquer euh, à force de persévérance, de chant, de danse euh, et de bons jeux d'actrice et entraîne et enchaîne, j'allais dire, les grosses collaborations musicales et des rôles dans des films Kennywood, comme euh, Yar Agadez, Basaja, Yaouda gobe Atajiri et autres. Au, du de ses 33 ans, elle a su se tailler une place de choix dans cet univers et fait la fierté de ses fans nigériens et nigériens. Nous pouvons citer euh, quelques-unes de ses chansons Hakinso, mais Nidake, Nashigaso, Maisona, Seideke, voilà, plein de sauts. C'est C'était Hakinso de Rakia Moussapoussi et Hamis Breka. Hamis Breka. Alors, place à l'ego des régions, c'est nous. Oui, Rabi, et aujourd'hui, l'honneur est à la région d'Agadez pour euh, découvrir comment sont fabriquées les chaussures en cuir appelées communément Balka. L'une des cultures traditionnelles chez les femmes et les hommes de la région d'Agadez, c'est le port de ces chaussures. Elles sont portées euh, dans des grandes cérémonies comme mariage et la fête de Bianou. Moussa Maman s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. La confection des chaussures traditionnelles en cuir balka

balka hawa hawa akwai tada yankan balka ita cibi zangare tara tsini akwai yankan kumandan akwai asalar batin su jajaye ne akwai masu korno akwai komali masu gashin nan sama akwai na mata akwai na maza akwai aiki karami akwai babba duk hawa hawa ne les chaussures traditionnelles en cuir balka sont utilisées par des hommes et des femmes pour revaloriser les identités culturelles de l'Aïr à travers les occasions de réjouissance, sans compter les avantages de son utilisation chez les Touaregs. On utilise les balkas en des occasions, souvent lors euh, des cérémonies de mariage, surtout ça va avec les tenues traditionnelles et il y a aussi la fête de Biano. <laughs> Pendant la fête, on l'utilise. En réalité, euh, les chaussures balkas, c'est une structure nationale des chaussures. Elle a trois avantages chez nous. Le premier avantage, c'est vraiment euh, la parure. Quand tu as des chaussures balkas, tu te sens vraiment à l'aise parce que c'est beau, donc c'est attrayant c'est des chaussures qui protègent vraiment les pieds de manière à éviter les écorchures là, et puis les épines. Pendant la chaleur, ce que nous nous appelons Et la chaleur, elle agit au niveau de la plante du pied, beaucoup même, et elle rend mal. Donc ces chaussures là protègent le corps. De nos jours, l'on constate la déperdition de nos valeurs culturelles et historiques, car la génération d'aujourd'hui préfère porter des chaussures fabriquées à l'extérieur que notre balca traditionnel. Voilà, c'était là le reportage signé Moussa Maman. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport avec notre chroniqueur sportif de, du jour. Il s'agit de, Salamatou Kadri. Et avec nous, euh, elle est déjà dans ce studio. Bonjour Salamatou. Bonjour Salamatou. Bonjour Rabi, bonjour nous. Alors, avec quoi nous allons débuter Rabi, prenons la direction d'Accra où le MENA-KD a effectué hier sa deuxième sortie contre le Nigeria. Le MENA-KD n'a pas pu enchaîner avec une autre victoire après une première sortie bien réussie contre le Togo, Des 1 but à 0 face au Nigeria. Le Niger jouera sa qualification lors de la troisième journée contre le Burkina Faso, mercredi 22 mai à 15h GMT et 16h heure de Niamey. Parlons à présent de la Super League de football. Pour la Super League, la 27e journée se jouera et voici le calendrier des matchs. Ce soir, la jouera contre la Kokana FC au stade général Seyni Kounti de Niamey et la contre l'Urana FC au stade municipal de Niamey. En clôture de cette 27e journée, vous aurez demain à contre CLFC FC au stade municipal et enfin USGNN contre l'AS Police au stade général Seynoukounti. Pour finir, euh, partons à Dosso où se déroulent les matchs des éliminatoires de la Coupe régionale de Dosso. Et oui, notre confrère Hassim Grouza, mission dans la région locale, dans, la localité, a assisté à cette rencontre qui a opposé l'équipe de l'Arewa FC à celle Maraba FC de Dosso. Score final, match nul, 0 but partout. Malgré ce score, l'équipe l'Arewa garde toujours espoir pour la première place dans cette compétition. Hassim Grouza s'est entretenu d'abord avec le SG du club Arewa FC, Issoufou Kane, suivant les. Le match a été bon, l'arbitrage a été bon quand même. Les joueurs ont été sérieux par rapport à ça. Ah oui, on peut s'en réjouir. Un match nul sur son propre terrain, n'est pas gai quand même. Donc il faut qu'il y ait des améliorations par rapport à ça. Inch'Allah, on va s'y atteler pour pouvoir euh, avoir l'objectif visé. Ah Normalement, si on gagne ce match et le match suivant aussi, on sera premier. Mais dans les cas échéants, parce maintenant nous sommes à un match nul, il faut qu'on s'y mette davantage pour le président match. Nécessairement, il faut qu'on le gagne pour avoir la, première place. Juste après, il a tendu son micro à l'entraîneur de FC Marhaba de Dosso, Maïhaïki Al-Mustafa, à son retour. On l'écoute au micro de Grouza Hassimi. Ça n'a pas été un match facile. C'est vrai, Ariwa est le premier. Donc nous, on était vraiment dans la zone rouge, dernier même si je peux le dire mais quand même on est venu, on, s'est défendu. Et vraiment, les gars ont subi les consignes, comme je l'ai dit. Heureusement pour nous, je peux dire, euh, on est sorti vraiment avec euh, un point. Donc notre prochain match, ça sera contre Falme FC, Inch'Allah. Et nous tous, on est en difficulté et on va essayer de travailler pour vraiment arracher les trois points et pouvoir euh, vraiment remonter un peu le classement. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ce premier numéro sportif de la semaine. À demain, bye bye. Merci infiniment, Salamatou Kadri, notre chroniqueuse du jour. Euh, merci pour euh, toutes ces informations sportives. Alors, Rabi, qui est la star du jour Notre étoile du jour, Seno et Olivier Sokbavi, ancien présentateur de l'émission Le Niger sur Kalango. Journaliste engagé, Olivier a fait ses premiers pas dans le métier en 2018 au niveau du studio Kalango. Mariam Adé nous dresse son portrait. Teint clair, taille moyenne, le jeune Olivier Assogbavi est un journaliste de profession depuis une dizaine d'années. Webmaster à ses débuts au studio Kalangu, l'amour et la passion du métier ont fait de lui aujourd'hui un excellent journaliste distingué dans la collecte des informations. D'ailleurs, c'est au sein de l'équipe jeune du studio Kalangu qu'il a laissé ses empreintes à des journalistes professionnels. Sourire aux lèvres, le jeune journaliste raconte ses débuts. Euh, c'est un rêve qui est devenu réalité. Depuis, je me rappelle quand j'étais un peu gosse, on organisait déjà au quartier des événements et j'étais avec un de mes amis, Marcelin. Donc j'étais l'animateur. Donc euh, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier en tant qu'animateur. Euh, par les voies du destin, je suis arrivé au Niger en 2017 et j'ai travaillé dans un média de la place. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la Fondation Hirondelle euh, grâce au studio Kalango en tant que webmaster. Si le journalisme lui a permis de s'imposer comme un homme émérite dans le métier, Olivier Assogbavi reconnaît avoir fait des rencontres heureuses dans cette profession dont il est fier. ce que j'aime le plus, c'est quand je rencontre des gens, je discute avec eux. Euh, c'est vrai, on peut faire des discussions d'une heure, de deux heures. Après, c'est 30 minutes ou bien 45 euh, minutes ou des fois 45 secondes qui va passer à la, radio. Dommage pour les auditeurs, mais moi, en tant que journaliste, j'apprends beaucoup. Donc, c'est vraiment une grosse passion en fait. Quand tu es journaliste, tu rencontres plein de personnes. Tu fais une interview d'un mendiant à 14 heures. Et puis à 18h, tu as un point de presse avec un ministre, tu fais un point de presse avec lui, tu lui poses des questions. C'est ça la beauté du métier. Au sein du studio Kalangu, qu'il a toujours considéré comme sa seconde famille, Olivier est apprécié tant sur le plan professionnel qu'est social. Adam Adawaki, responsable de l'émission Le Niger sur Kalangu, en témoigne. Euh, je dirais que c'est un très bon élément qui nous a quittés en cours euh, de route et parce que c'est vraiment Olivier, c'est quelqu'un qui aime son travail et il le fait bien avec tout ce qu'il ressent comme amour dans ce travail-là. Je l'apprécie beaucoup et je ne fais que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Marié et père d'une fille, c'est journaliste qui est encore dans la vingtaine. Olivier Assogbavi continue sa progression dans le métier. C'est dans ce sens qu'il encourage et soutient les jeunes nouvellement venus dans le journalisme. Après ce portrait inspirant de l'un de mes binômes sur cette émission, chers auditeurs, poursuivons notre playlist avec notre héritage musical, une fierté nationale, l'artiste Kitari avec son titre Jamais touché. Kitari La gola, la gola, la gola, la gola Dans la rue, j'étais sorti marcher Embrouillé par les problèmes de la vie Je marchais sans même savoir où j'allais Et d'un coup, voilà une fille devant moi La gola, elle m'a coupé sur le chemin Baby, est-ce que tu sais que t'es mignon Pardon, viens me passer ton numéro Parce que je t'aime quelques jours après Je l'ai trouvé chez ma maman Se roulant par terre Ma je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Maman, ce n'est pas mon bébé. Maman, voilà, ce n'est pas mon bébé. La go, elle tient seulement à me piéger, oh. Maman, maman. La go, elle m'a couru après. Le refus en refus, elle a pleuré. Maintenant, elle veut se venger de moi, oh. Maman. Elle veut coûte que coûte. Que je sois l'élu de sa vie. Son unique amour. Son mari. Eh Mohamed euh, Kitari Haruna Koulibaly, connu sous le nom de Kitari, est le fils de la diva Fatima Rico et semble bien déterminé à prendre la relève. Fier de l'héritage de sa maman, Kitari s'efforce de construire sa carrière artistique. À 15 ans, il était choriste aux côtés de sa mère avant de s'engager à 18 ans dans une carrière solo compositeur, interprète et a un impressionnant talent qui lui permet de passer d'un style musical à l'autre. Voilà, c'est une belle voix qui t'arrive. Pas touché, je l'ai jamais touché. Pas touché, je l'ai jamais touché. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre Jamais touché de l'artiste Kitari Rabi. On poursuit avec le loti. Alors, dites-nous, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui Les dépenses obstinatoires dans les cérémonies de mariage. C'est le sujet abordé dans le loti de ce jour. Le plus souvent, la charge retombe sur le futur jeune marié qui, pour se plier aux exigences de s'halluciner, pourrait être contraint de s'endetter. Quelle explication donner pour ces dépenses et oui, réponse à suivre maintenant avec Zainabou Abdou, Aminata Boubaka, Rafia Mossi et Ismaël Harouna. Affairage, affairage, affairage, affairage. Je n'ai ras le bol, Wallah, je n'en peux plus où vais-je trouver toute cette somme À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. <laughs> vraiment, cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Hmm, Donc à moi, je pense que c'est toi. Hein. Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeunes mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. To, maintenant c'est quoi le problème hum, Cousine, le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement, non. Ah, attends, Attends, pourquoi faire autant de dépenses Ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. Wallah, cousine, elle refuse. Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi Allô Oui, chérie, comment tu vas euh, justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que ça demandait autant de dépenses. Chérie, 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé hey, chérie, Bani, voilà eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. je ne vais jamais te Passe-moi le téléphone. Mhm. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. Parce que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein? Tu voudras également vivre dans de bonnes conditions après le mariage ou bien? Oui, belle sœur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les ethnies du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire j'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie c'est dans deux semaines. Ah, ne t'en fais pas ma belle. Vous pourriez juste faire une des annonces en annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras ma belle comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée et ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tennis traditionnels, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi chérie d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à toi cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également, belle-sœur, pour la compréhension. Tout. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Hein? Ah ah, ah, ah. vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok, chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi. D'accord, chérie, fais pareil de ton côté. À plus. Belle soeur, bye. Bye bye. la <laughs> rubrique Loti euh, préparée spécialement par l'équipe femme du studio Kalangu. Merci pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique euh, culture linguistique en français et anglais. Et ça sera avec Samira. Bonjour Samira, quel est le mot du jour Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your show culture linguistique. La journée internationale de la biodiversité est une journée créée en 1993 par les Nations Unies et est fixée au 22 mai depuis 2000. Vous l'avez deviné, le mot du jour est biodiversité. Biodiversité en anglais veut dire biodiversity. La biodiversité désigne la variété des formes de vie sur la Terre, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Biodiversity refers to the level of variety living creatures and plants in particular area. Prenons un exemple. Each living thing plays a role in the biodiversity. That means in French, chaque être vivant joue un rôle sur la biodiversité. Un dernier exemple. It's essential for everyone to understand the impact of human activities on variety of biodiversity loss and how they can contribute to its conservation, qui signifie que il est essentiel que chacun comprenne l'impact des activités humaines sur la perte de certaines espèces de la biodiversité et comment ils peuvent contribuer à leur préservation. L'Union internationale pour la conservation de la nature est une organisation intergouvernementale et est à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à mettre fin à la crise des extinctions d'espèces et à garder, conserver et restaurer durablement le monde naturel. International Union of Conversation of Nature is an intergovernmental organization leading global efforts and ends the species extinction crisis, conserve and restore the natural world. La biodiversité est donc une caractéristique fondamentale dans la vie sur Terre et une source d'avantages pour l'homme. Biodiversity is therefore a fundamental feature of life on Earth and the source of benefit for humans. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. Ladies and gentlemen, that's all for today. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira, à bientôt. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. ni ne jafa sarkin yaƙi hakimi na furoje kaula studio kalangu muna godiya gare ta ɗari bisa ga ɗari saboda ni in dai ba na saurari studio kalangu ba hankali na bai kwanta ne in eh, studio kalangu ta fara duk aikin da aka gare ni kashe shi ni kai sai na ƙara saurari. saboda shi kaka saurare da ɗimi-ɗimin shi babu wani ƙarin wani kalwa babu wani abu abinda duka ji ga studio kalangu ka ji a ta ka kasuwa moni tabba haka an kai amma in ba ga studio kalangu ka ji magana ba ka karshe ta kuma muna roƙo ga Allah tabaraka wa ta'ala haɗin gwiwa studio kalangu da radio niyya Allah shi gwada mana radio niya ta yi tele a gane mu muna magana ga studio kalangu Allah saka da alheri Allah shi kare mutanen studio kalangu shi kare mutanen radio niyya muna fata ga Allah shi kare ɗaukaka su kuma mun gode Allah saka da alheri studio kalangu Allah saka ma studio kalangu da alheri kuma Allah kare mu na ma'aikatan studio kalangu Allah kare mu na ma'aikatan radio niyya mun gode Allah saka da alheri ina da duk mutanen da suke a cikin radio na kalangu eh, wanda suke saurare da waɗanda suke sara mun gaskiya muna jinjina musu sosai kuma mutane su mai da niyya sosai ga kalangu gaskiya assalamu alaikum ai ma ka ci musa kan godo so yi gogaran fondo ko karo wallahi radio kalangu yi goga hangan gumo yigo bano radio kalangu yigo ba yi mutuntuna ga wana wana kai haraka kan rayigo Si kangi ga hang da dorogo kui go ga ya mariya ngai din dai no ba ar ton tanaga igo garan kai sirga bora ame kai ya sirgi ni de da jir baraya ay assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay no umar ahmad kango radio faran kolobora igo garan fu ara emission ngai mo igo ga kame se gum gumu emission ngai e ra sinda wo kul ka si jama be gendi zato su kwara zato su kauye me amene go ga be ganda radio kalangu amma ine dingai gudu aram cincin ka kauye ngai mo bongai feri ngai se ngai mo mudu kufuro adiyo kalangu albarkara mu duwa sama sama chinan go kul gai ngai gudwa dingai dingai cincin ka kawai kingai bongai fe dingai mo mo fun kubara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh aiwo ai mayo da kati sulai da kai ne do kalangu irga sabaran sai gum gum gum eh irko dai maran ga ne zama in daran hunkuna irte nya fo irte babu fo irko mu tontonaran sai bera ga irmo irko min daran ka hinkar suru no kino kul na nijero wara kan dai studio kalangu si salam aranga wallahi irga sabaran sai gum gum aran mu kai Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs enfin notre émission, l'univers sur Kalangu d'aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de Ali Monkela Osseni Diseno et moi-même Rabia Meikano. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. La technique était assurée par Seni Isaka et Fanta souhaitait était à l'édition. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.